Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bienvenue dans le forum de la presse. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Aujourd'hui, il sera question pour nous de revenir sur deux principaux sujets ayant marqué l'actualité de l'année 2018 qui tire à sa fin. Il s'agit notamment de tous les soubresauts liés à la loi des finances 2018 et des différents qui opposent les partis membres de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition concernant le code électoral qui ne semble pas faire l'unanimité à ces jours encore au sein de la classe politique nigérienne, surtout l'article 8. Pour discuter autour de ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Suleiman, bonsoir. Euh, bonsoir. Hussein Issa, journaliste freelance, est également avec nous dans ce studio. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Sidi Kali, analyste politique. Rufai Dandoua, journaliste indépendant, il est en ligne avec nous depuis Tilaberi. Rufai, bonsoir. Euh, Bienvenue à tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par du sport, la 40e édition du Sabre national, le championnat de lutte traditionnelle qui est en cours dans la capitale du fleuve Tulaberi. Trois jours après le début des combats entre les huit régions du Niger, il ne reste plus que 19 Litres invaincus ce matin qui n'ont pas encore donc été terrassés sur les 80 litres. Euh, nous allons tout de suite commencer avec euh, vous, Rufai Dandoua. Vous êtes à, euh, à Tilaberi où a lieu donc la 40e édition du sabre national. Rufai, vous nous entendez oui, je vous entends bien. Bien. comment vous suivez le déroulement Est-ce que vous avez l'impression que tout se déroule bien pour cette 40e édition oui, Kosi, euh, il faut dire euh, qu'en dehors peut-être du public euh, qui n'est pas comme on peut l'espérer, selon qu'on soit à Tawa, Maradi ou Zender, tout se déroule ici normalement. Et l'arène, tout va bien, les combats sont de bonnes factures. Et dans l'organisation aussi, on n'a pas entendu encore des, des des uns et des autres. On peut dire qu'à Tilaberi, ici, la 40e édition, et tout se passe bien, surtout, surtout au niveau des combats qui intéressent le plus euh, le public euh, qui est dans l'arène et aussi les téléspectateurs qui regardent euh, partout le Niger cette 40e édition du Sabre national. Pas d'inquiétude par rapport aux règlement appliqué sur les combats oui, vous savez, il, faut le dire, euh, c'est juste un rappel à chaque euh, année quand on vient à la lutte traditionnelle, on essaie de voir ce qui s'est passé, ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Et pendant la précédente euh, édition, cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de temps de perdu et on a toiletté le code de la lutte. Conséquence, au lieu de 20 minutes, 20 minutes pour le combat, on a diminué, on est arrivé à 5 minutes et 10 minutes et 5 minutes pour, pour le combat. Hmm. Conséquence, on a aujourd'hui des combats de très bonne facture. Il n'y a pas de temps libre, il n'y a pas de temps de perdu. Les lutteurs ont compris bien, l'ont assimilé cet article 34 et dès qu'il vient, chacun sait ce qu'il a amené hmm. dans, l'ère de jeu. Et conséquence pour euh, cette euh, modification, ça permet à la Fédération nigérienne de lutte ou au comité de faire en sorte que nos lutteurs se préparent déjà pour les tournois internationaux, genre le Tolac, et qui vous, vous, rappelez ou vous le savez bien, et le combat dure trois minutes. Donc ici, ça dure cinq minutes avec deux minutes de repos. Ça veut dire qu'on se conforme ou on rentre dans, la, dans le clou de ce qui se fait sur le plan continental. Yeah. Rufai, vos pronostics, est-ce qu'on peut avoir vos pronostics concernant les régions et les lutteurs favoris à vos yeux Oui, oui, j'ai entendu, vous avez dit le nombre de lutteurs qui, restent encore invaincus et nous, euh, ici à l'arène, on, se rend compte aisément que la tendance est en train de se dessiner. Et les favoris, en dehors peut-être de Yahya Kaka qui a été terrassé dès le premier jour, mais les favoris se dégagent. On a le, champion sortant, Katsu Sani de Zender, qui encore est en train de montrer qu'il est revenu, pas pour faire de la figuration, mais pour montrer qu'il est venu pour retourner avec euh, le sabre. Et certains ont dit qu'il a même confié qu'il est revenu pour retourner avec le sabre. Mais il faut faire très attention au double vainqueur Isaac Isaka qui a fait très très bonne impression ici. Et les socialistes pensent que c'est le grand favori. Mais aussi il y a des techniciens tels euh, l'Ol Antela qui est peut-être le plus grand technicien et Lol Antemboy de Tawa aussi. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas enterrer l'ancien euh, vainqueur du sabre, le loup de Niamey. Yakuba Bien, Rufai, Dandoua, merci beaucoup euh, d'avoir été des nôtres durant ces quelques minutes. Merci, nous vous laissons donc poursuivre le séjour à Tilaberi. Nous revenons au studio. Je vous Bien. Euh, Mamadou, euh, vous avez également sûrement suivi donc ces trois jours de combat, la 40e édition. Comment est-ce que vous, vous appréciez le déroulement de ce championnat euh, bon, heureusement que les, journal sportif sportifs euh, d'Andoua viennent de nous édifier. Euh, j'avais moi l'impression, avant de l'entendre, comme s'il y a eu trop de réformes qui ont tendance à dénaturer ce sport qui ne motive pas assez comme avant. Mm. Mais ça me rassure en tout cas que ce soit une bonne chose. Euh, le temps de combat qui réduit, effectivement, ça amène les gens maintenant à avoir plus d'ambition, en tout cas pour lutter, pas vraiment pour s'amuser. Mm. Donc, euh, en tout cas, l'impression que j'ai, euh, il n'y a pas vraiment assez d'engouement comme avant, mais il est important que qu'on se dise avant tout, en tout cas, moi, mon vœu, c'est que la situation qu'on a vécue à Zander l'an passé, vraiment, que ce soit vraiment un très, très mauvais, un très souvenir, en tout cas, qu'on puisse plus vraiment avoir des situations comme ça parce que ça a dégoûté vraiment les Nigériens. Mm. Et je pense que les autorités, les lutteurs, en tout cas tout le monde doit faire attention pour éviter vraiment des choses comme ça. Et c'est quoi vos pronostics euh, euh, ben, En tout cas, je pense, moi, je vis ça, ça il me semble être un frontier, En tout cas, ne rate, pas ça, ça cible le plus souvent. <laughs> Mm, bien. Euh, nous revenons à vous, Sidi Kali, qui nous a rejoint. Sidi Kali, bonsoir. Bonsoir. voilà, c'est ce champion championnat euh, qui euh, a lieu actuellement à Tilaberi. Quelles sont vos appréciations Bon, euh, comme Alaj l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne le sport roi du Niger, qui est la lutte traditionnelle elle-même en tant que telle, moi j'ai toujours vraiment, en tout cas, à cœur une idée qui me paraît vraiment une idée très salutaire pour notre pays. Vous savez, aujourd'hui, la lutte traditionnelle est le seul sport vraiment véritablement nigérien vraiment, en tout cas, euh, qu'on est appelé normalement. Qui draine du monde. Qui du monde, qui est apprécié par les Nigériens, mais qui malheureusement souffre aussi vraiment du fait un peu de, désintérêt, c'est-à-dire un peu de, la négligence. c'est pourquoi moi, l'idée que j'ai toujours à cœur, c'est vraiment en tout cas de voir comment est-ce qu'il faut euh, mettre vraiment, en tout cas organiser très bien ce secteur, ce sport-là, mettre les moyens qu'il faut, encadrer. Et pourquoi pas, aujourd'hui, vous avez vu au Sénégal, la lutte traditionnelle, ce n'est pas qu'un événement. Euh, c'est au-delà d'un événement. La lutte traditionnelle, vraiment, c'est une opportunité à la fois économique, financière et tout, tout, tout. C'est même une opportunité mm. non seulement pour les sportifs, pour la population, mais aussi pour les marabouts, les imams du pays, tout ça. Donc, euh, le sport, aujourd'hui, la lutte traditionnelle, euh, j'ai comme l'impression qu'on la néglige au profit d'autres sports qui ne sont pas forcément les nôtres, mm. tels que le football, le basketball, le volleyball, autres, alors que vous savez très bien qu'on n'arrive jamais à décoller dans ce sens. mais mm. Vous avez des pronostics, peut-être Moi, malheureusement, le seul pronostic aujourd'hui que j'allais faire ce que DIFA a quitté, je ne suis pas du tout vraiment content, malheureusement. <laughs> J'aurais bien voulu qu'au moins pour une fois que nous, nous brandissions ce sabre vraiment aux yeux de l'opinion nationale, mais avant tout, quand même, c'est le Niger qui gagne. Moi, je me suis dit quand même que DIFA, Zender, Agadez, Telabéry ou autres, avant tout, nous sommes les fils d'un même pays, que ça soit vraiment Issa Kaïssa ou quelqu'un d'autre, moi, dans tous les cas, c'est m'est égal. Bien. Euh, Issa. mais je vais rejoindre mon ami Sédek c'est que, bon, ce qu'il vient de dire, c'est une réalité. Il n'y a plus l'engouement d'antan. Est-ce que c'est constaté euh, pour ce championnat, constaté parce que cette, à l'époque, oui, bien sûr, mais parce que ce qui s'était passé, Alain Suleiman vient de le dire, ce qui s'était passé à Zender, à l'édition de Zender, personne ne souhaite revivre ça. Oui, bien sûr, personne ne souhaite, mais ça crée une espèce de désaffection vis à -vis de ce sport-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a amené des mesures. À l'époque, on a connu des luttes. Par exemple, au moment où les Langalanga, au moment où les euh, Bala, Aruna, au moment où les. Euh, comment ils s'appellent Ils, luttaient. C'est qu'on faisait la lutte véritablement. C'est-à-dire qu'on n'a pas institué des, des, avait des mesures, euh, des, des, dispositions où on dit, bon, au bout de tel nombre de minutes, tel nombre de minutes, on a assisté à des luttes ici, même à Niamey en 80, je me rappelle, qui a pratiquement une soirée. La lutte a duré. C'est ça la beauté de ce sport-là. On ne peut pas dire, bon, vous êtes resté pendant 10-15 minutes, vous n'avez pas. Heureusement, cette année, ils ont régler un peu le dispositif pour faire en sorte que les gens puissent lutter. Et les gens sont en train de lutter. La preuve, il n'y a qu'aujourd'hui, à, à, à, à, ce stade-là, je ne sais pas. 19, pas 19 lutteurs invaincus. qui sont, en sont debout. Sauf si d'autres encore ont chuté Mais moi, je veux dire, parce que quand on parle de traditionnel, c'est qu'il faut que quelqu'un tombe. Il ne faut pas que quelqu'un meure debout. Malheureusement, on tend dans, dans cette logique où on dit non. Vous êtes resté pendant tel nombre de minutes. Non. L'autre peut ne pas vouloir lutter. Quelle que soit votre volonté de lutter, lui, quand il se met à courir, à, tourner dans tous les sens, euh, bah, la, nouvelle disposition. Il faut avertir et puis donner le, des, sanctions et, tout, et, donner des points. Moi, je dis vraiment, il faut lutter. La lutte là. Il faut que quelqu'un moque le sable. C'est ça qu'on a connu. C'est ça qui doit prévaloir pour donner à ce sport là toute sa beauté, sa splendeur. Hmm. Tant qu'il n'y a pas ça, on va continuer à trouver des, formules pour dire voilà comment les choses vont se passer. C'est eh, dit qu'en 15 secondes, on, voilà, on va eh, passer à un autre euh, sujet. moi, juste un sentiment qui m'habite encore, que j'ai voulu développer tout à l'heure. Hmm. Eh, vous savez, on ne peut pas développer un sport en se basant d'abord, d'un côté, sur vraiment, en tout cas, des lutteurs nigériens dans un pays qui s'appelle le Niger et de prendre des règles qui sont vraiment, en tout cas, euh, qui ne sont pas du tout des règles du Niger, parce qu'on les réforme, on les réforme, on les réforme. C'est comme dans la tradition, on dit, à force d'arranger la bouche du Fakocher, on est arrivé vraiment à quelque chose d'hybride. Donc vraiment, les lutteurs sont nigériens. Dharma, c'est la lutte traditionnelle, son nom. Donc mhm. il faut revenir vraiment à son, à son vrai sens. Deuxièmement, et c'est l'aspect économique qui concerne les lutteurs. Mhm. Vous savez, vous, tous ceux qui sont autour de cette table le savent, quand vous traversez le Niger et que vous, euh, vous rencontrez les lutteurs, les mêmes lutteurs qui luttent aujourd'hui, les KDD, les Kataki, les, mm. et euh, autres aujourd'hui, ceux qui sont morts sont morts, mais dans quelles conditions Mais ceux qui sont vivants aujourd'hui sont dans une situation lamentable. Bien. Pourquoi ne pas créer les conditions pour que ces gens-là puissent vraiment être, qu'ils aient au moins nous allons, nous allons, Nous allons aborder d'autres sujets. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir euh, largement sur cette question de, de la lutte. Nous abordons le sujet sur la loi des finances 2018 qui a fait couler d'ancrer de sa livre cette année, promulguée le 28 novembre 2017, la loi 2017-82 portant loi de finances 2018 a commencé à être appliquée Dès le mardi 2 janvier 2018, une coalition d'acteurs de la société civile a vu le jour, à l'occurrence le cadre de concertation et d'action citoyenne des acteurs de la société civile nigérienne. Cette dernière, l'on se souvient, a initié des manifestations dénommées Journée d'action citoyenne pour contester certaines mesures qu'elle qualifiait d'antisociales. Justement, sur ces mesures, je vous propose de suivre Moussa Changari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen. Il donne des détails sur les produits concernés par les augmentations donc, dans le cadre de la loi des finances 2018. Euh, Et donc déjà avec le transport, ça va concerner toute la gamme de produits, euh, en tout cas qu'on importe, qu'on transporte. Deuxièmement, le gouvernement, dans la loi des finances, a institué ce qu'il appelait une taxe sur la valeur ajoutée encore sur toutes les transactions faites par les opérateurs privés avec les producteurs dans le monde rural. Les prix, donc des choses qui sont produites même localement. Il y a un certain nombre de produits qui sont expressément cités. Le lait et crème de lait concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants. Vous avez les farines de blé ou de métailles, le papier journal, les cahiers, le matériel informatique, les ardoises, les tableaux, etc. Vous avez le lait manufacturé, les pâtes alimentaires, la farine de maïs, de mil, de sorgho, de riz, de blé et de fonio. Tout ça, ce sont des trucs vont être taxés à un taux de 5%. Vous avez aussi les engrais d'origine euh, animale et végétale, les insecticides, les pompes à bras, etc. Tout un ensemble de choses que les paysans vont utiliser pour produire. Moussa Changari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen. Euh, de votre point de vue, parmi ces mesures, laquelle ou lesquelles ont particulièrement éprouvé euh, les ménages nigériens Bon, mais, euh, bon il a énuméré un certain nombre de produits. C'est des produits, en tout cas, pour l'essentiel, c'est des produits qui interviennent dans la vie quotidienne, aussi bien des citoyens qui vivent en ville que des, des citoyens qui sont dans les campagnes. Pratiquement tous ces produits-là, ça consomme tout le monde. C'est des produits alimentaires, c'est des produits pour et améliorer la production agricole, mais il y a un certain nombre d'aspects peut-être qu'il n'a pas évoqué. Peut-être le coût de l'électricité aujourd'hui, tout le monde le ressent. Ça va continuer encore. Parce qu'il y a la question de la taxe bah, de l'habitation qui est venue se greffer. Justement, mais au-delà de la taxe d'habitation, parce que la, la, pratique des tranches, la pratique des tranches, ça a flambé, ça a fait flamber pratiquement et les factures d'électricité dans ce pays-là. En tout cas, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne ressent pas ça aujourd'hui. Quand tu as l'habitude de payer peut-être 15 000, 20 000, tu passes à 30 000. Même si tu réduis ta consommation, tu ne peux pas descendre au -delà, en dessous de ça. J'ai dit quelque part, bon, il y a eu une lutte qui a été menée par les acteurs associatifs, une lutte que moi j'ai suivie de près. Bon, il n'y a pas eu de recul. Le seul recul, euh, un peu, qu'on peut, comment vais-je dire, et, comment vais-je dire, dont on peut parler, c'est quand le, retour sur la Tati, le gouvernement a considéré que ils ont, ils ont concédé aux compagnies de téléphonie des facilités. Ils ont compris que non, c'était pas une bonne chose. Ils sont revenus là-dessus. Mais moi, je veux dire, quand on, je ne dis pas les impôts là, c'est important. Dans tout pays, les impôts c'est important. Mais quand, j'entends souvent des gens dire non, non, il faut que les gens payent les impôts. On fait comme si les gens ne payaient pas les impôts avant. Dans tout produit qu'on paye aujourd'hui, le consommateur final, la taxe sur la valeur ajoutée, le consommateur ou du moins le commerçant, y compris le détaillant, lui n'est pas perdant. Hmm. Il trouve son compte en vendant ce produit là. S'il n'a pas son compte, il va arrêter la vente on fait comme si les gens ne payaient pas les impôts auparavant et que c'est aujourd'hui qu'on a décidé d'instituer ça. La, la, TVA, on a fait en 2005 déjà des, luttes par rapport, et comme avait dit, à la hausse de la TVA sur un certain nombre de produits. Il y a eu des manifestations gigantesques dans ce pays. Alors, Hussein, la loi, euh, la loi des finances 2018, est-ce que, selon vous, elle n'a eu que des faits négatifs finalement Bon, mais je ne peux pas, parce que jusqu'ici, il n'y a pas, comment je dire, il n'y a pas eu, comment, comment on appelle ça, euh, euh, l'évaluation. On n'est pas encore sorti de l'année 2018 quand bien même c'est pratiquement deux ou trois jours qui restent pour Mais il va, il va falloir attendre pour savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que les effets escomptés par rapport à l'imposition de ces nouvelles mesures fiscales, ces effets-là n'ont pas été, à mon sens, n'ont pas été atteints. Alors, Elal Suleiman Mamadou euh, du journal Niger Inter, euh, comment est-ce que vous, avez, euh, vous percevez cette lutte qui a été menée, notamment contre certaines mesures de la loi des finances et un peu les mesures qui ont particulièrement éprouvé les, les citoyens nigériens Nous avons suivi cette situation qui fait désormais partie de notre histoire. Euh, c'est vrai, euh, il y a eu beaucoup de choses. Euh, la situation allait même plomber le pays. Je veux dire que ça allait à une situation, en tout cas, désastreuse, parce qu'à un certain moment, la société civile organisait toutes les deux semaines ces, ces manifs. Ben, il y a eu cette situation aussi où ils ont été pris, jetés en prison. Euh, ce qui frise un peu, donc euh, aussi, euh, j'allais dire, une situation difficile sur les libertés. Nous allons revenir sur ces aspects, de, sur ces arrestations. Mais déjà, les mesures, est-ce que vous pensez que finalement, ce que décriaient les acteurs de la société civile est arrivé les ménages, les ménages nigériens ont eu du mal, ont, ont été forcément euh, éprouvé Il me paraît évident que ça se, ça se tout, tout Nigérien. Nous sommes pas des, on ne vit pas sur une autre planète. En tout cas, nous, l'avons ressenti sur nos factures d'électricité. En tout cas, on, l'a senti. Mais il y a que la lecture qu'on faisait au même moment, c'est intéressant de regarder ailleurs. Moi, j'ai essayé de voir un peu de la chirurgie. Il y a le contexte économique. Euh, Général, Qui a, je, récemment, au Sénégal, je, crois, euh, leur gouvernement, en tout cas le ministre des Finances, a fait les, des aveux que la situation était. C'était un peu, en fait, euh, il y a que. Euh, il a dit tout, il a un peu évoqué. moi, je pense que le plus important pour la société civile, de demander à l'État, effectivement, d'investir ce qu'il aura mobilisé. Maintenant, effectivement, le travail d'éveil euh, non seulement euh, dans le sens, euh, parce que comme on dit trop, trop d'impôts, tu, tu on peut ne pas mobiliser tout cela, mais il me paraît évident le plus important, c'est qu'effectivement le gouvernement puisse investir l'argent qu'il a effectivement pris avec les citoyens. Par exemple, sur la question de l'électricité, lorsqu'en amont, le, le gouvernement nous dit qu'il vise d'ici 2035 euh, euh, à faire en sorte que les populations rurales puissent avoir tester. je vais bien les croire effectivement si cela est un objectif. Oui, je suis d'accord en tout cas pour qu'on puisse consentir mm. euh, cet effort. Mais lorsqu'effectivement, au finish, on se rend compte qu'on a été leurré, ça fait mal. Mm. Et donc, c'est-à-dire que véritablement, il faut éviter vraiment je veux dire, Donc il faut que pour le gouvernement a été, pour le il faut éviter véritablement de trahir, euh, trahir les, promesses. Sur la question de la, de la Tati, ça, je pense qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement cette, euh, je veux dire, ce courage. Effectivement, euh, on était à une conférence de presse, le ministre des Finances, on a dit pourquoi vous êtes revenu. Il a dit, écoutez, nous sommes revenus parce que les engagements pris par les compagnies de téléphonie d'investir ne l'ont pas fait. Nous, on a dit au ministre des Finances que normalement, il ne s'agit pas simplement de, ramener la tati, mais il faut aussi demander euh, ce qui En fait, c'est l'argent du peuple qui n'a pas été investi. Donc, ils ont pris l'argent la pendant un an, ils doivent effectivement le, rembourser au Nigeria. Donc, euh, bref, euh, moi, je pense que c'est un débat qui, est fait. Et, il y a que chacun a un rôle à jouer. Mm mais je me rends compte que les pays comme le nôtre, regardez chaque pays, quand vous essayez de regarder, la Côte d'Ivoire, même les pays développés, et les, finances d'un pays sont faites effectivement. L'essentiel, c'est vraiment les ressources fiscales. Mmh, mmh, Donc c'est très important et, il y a qu'on ne peut pas réinventer la rue, la situation, le contexte qui a été planté comme euh, la, question de la sécurité. C'est une réalité aujourd'hui. Malgré tous les moyens, si on nous dit que le budget euh, prend 17% euh, et qu'on n'arrive pas à voir clair, euh, non seulement il faut donc s'inquiéter davantage, mm. si l'argent qui est pris il est investi et qu'on n'arrive pas à, gérer. Bref, il y a le contexte économique qui, est difficile. Mm. donc, moi, de mon point de vue, préfère court, ce qu'il va falloir effectivement que de ne pas aussi trop, je vais dire, euh, parce qu'à un moment, moi, le débat, je le pose avec certains amis de la société civile que est-ce que aussi, en faisant de l'obsession euh, dans cette euh, façon de faire, est-ce qu'on n'est pas en train aussi, je veux dire, de plomber l'État Bien. donc, ça aussi, s'appelle en tout cas que mm-hmm. la veille euh, n'est pas aussi euh, la vocation de faire obstruction, en tout cas, à la gouvernance. je le disais en début qu'il y a eu des journées d'action citoyenne, essentiellement des marches, des meetings et des sittings initiés, organisés chaque week-end, on a à Niamey et dans toutes les régions du Niger, notamment par le cadre des concertations et d'action citoyenne des acteurs de la société civile. Ces manifestations bénéficiaient d'autorisation jusqu'en mars où euh, elles ont commencé à être interdites par les autorités municipales pour raison de sécurité. Qu'en pensez-vous des motivations, en tout cas, qui ont été avancées à chaque fois pour interdire les Jacques les journées d'action syndicales Bon, euh, avant de me prononcer sur cet aspect, j'allais aussi donner mon, mon, opinion sur euh, la première question. Mhm. Euh, moi, je pense que tout ce qu'on a vécu pendant les 4-5 derniers mois nous a amené quand même à tirer la conclusion qu'il y a un problème d'abord des responsabilités qui se posent, mais il y a aussi un problème de maturité qui se pose. Mhm. Je m'explique. Le problème des responsabilités, c'est quoi C'est que nous sommes plusieurs acteurs aujourd'hui qui sommes dans l'arène. Un gouvernement qui a pour souci de mobiliser les ressources internes, c'est tout à fait normal, c'est universel, c'est même la mission régalienne d'un hmm. État, hmm. euh, d'un gouvernement. Un gouvernement qui a la responsabilité de gérer un pays a besoin de ressources pour gérer un pays. Non seulement pour gérer le pays, pour le fonctionnement, mais aussi pour investir, pour créer les conditions d'un bonheur futur vraiment en tout cas de la population. Ça, c'est un aspect. Deuxième euh, responsabilité pour la société civile, elle s'est donnée, puisqu'elle est née, elle s'est donnée volontairement une mission, c'est non seulement euh, de surveiller l'action gouvernementale, de veiller à ce que vraiment le gouvernement ne s'écarte pas trop, vraiment en tout cas, deux des options régaliennes, c'est-à-dire que vraiment de sa vraie mission, mais aussi d'évaluer. Alors, cela m'amène de l'autre côté à la population aussi, qui a le rôle de sanctionner in fine, c'est-à-dire à la fin, vraiment, en tout cas, ceux qui ont géré, conformément au mandat confié à ces élus. Donc, les trois acteurs sont là et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le gouvernement a rempli sa mission. Le gouvernement a fait voter la loi des finances. Malgré les obstacles, malgré vraiment, en tout cas, tout le bouquin que cela a fait, la loi a été votée, elle a été promulguée et elle est en train d'être appliquée. Vous avez fait le constat tout le monde a fait le constat, c'est évident. Aujourd'hui, le ministre des Finances et le gouvernement, même de façon générale, n'a pas reculé d'un iota. Alors, cela est dû au quoi Cela est dû au fait qu'il y a un acteur qui est de l'autre côté qui n'a pas joué son rôle. La société civile nigérienne n'a pas joué son rôle. Ou du moins, même, j'allais dire même qu'il s'est trompé de rôle. Hmm. Vous savez, cette affaire. Ce rôle aurait été quoi C'est-à-dire que cette affaire de Jacques, de Jeanne, de, de Jade, autres là, c'est pas la meilleure option. Dès le départ, moi, personnellement, j'avais dit que le rôle de la société civile, d'abord, de conscientiser la population dans le sens d'amener cette population à comprendre que le gouvernement n'est pas dans une logique de favoriser le bonheur de cette population et que, vous savez, ce n'est pas à la société civile de descendre dans la rue. Il y a eu quand même, eu quand même des, des, rencontres avec euh, euh, à un certain Non, je sais, tout cela a eu lieu, mais je suis en train d'expliquer, euh, c'est-à-dire le sens même du, rôle de chacun. Mm. Ce n'est pas à la société civile de descendre dans la rue pour mobiliser la population et contraindre le gouvernement. Normalement, c'est à la population de façon instantanée. Vous savez, partout là où le gouvernement sont tombés aujourd'hui, je ne suis pas en train de défendre le mm. gouvernement, hein, loin de là, parce que mm. je, suis, je fais partie de ceux qui souffrent. Mais aujourd'hui, partout là où il y a des révolutions, par exemple, ce qu'on appelle les printemps arabes, Partout où il y a eu des, révolutions, telles que par exemple le cas de Burkina Faso, partout là où il y a des révolutions qui ont contraint le gouvernement à lâcher prise, mm. ce n'est pas à une société civile de le faire. Mais là, est-ce que l'objectif, c'est d'aller dans ce sens L'objectif, Mais justement, c'est là qu'on appelle la société civile aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de le faire Pourquoi il y a un relâchement mm. Je vais vous expliquer. C'est parce que quelque part, eux aussi, ils n'ont ni les moyens, ni la motivation nécessaire pour faire le travail. Ce qu'aujourd'hui, tu es en train de nous demander à nous d'évaluer mm. d'une manière vraiment très simpliste. Tu nous as dit quel, où est-ce que nous sommes, est-ce que les effets sont produits Mais c'est à la même société civile aujourd'hui d'évaluer pour nous montrer voilà le stade où nous sommes, voilà aujourd'hui les conséquences de cette loi de finances et voilà aujourd'hui comment s'en sortir si vraiment elle fait le travail de veille. Mais malheureusement aujourd'hui c'est qu'on constate qu'il y a une absence. Ils ont relâché, il n'y a plus de Jade, il n'y a plus de Jacques, il n'y a plus de Jas et la population est laissée à elle-même. Euh, euh, alors est-ce que vous pensez que euh, ces, journées d'action citoyenne organisées n'ont pas eu l'effet escompté de façon... Vous voulez la réponse Je vais vous donner une métaphore. Sur le plan traditionnel, la population euh, traditionnel dit, la fille du roi, vaut mieux qu'elle ne danse pas. Mais si elle danse, vaut mieux qu'elle sache bien danser. Dès le départ, s'ils savent qu'ils allaient nous lâcher, certains sont partis même aujourd'hui, sont devenus même d'ailleurs des conseillers du président. Voyez-vous, le cas de révolution démocratique ou autre là, d'autres sont partis, ils ont lâché prise, C'est-à-dire que cette affaire-là, mon petit frère, je vous dis une mm. chose, il n'y a rien de sérieux dedans. Aujourd'hui, la seule façon aujourd'hui de se défendre, c'est quoi D'abord, il faut trouver des aptitudes intrinsèques à toi-même pour vraiment développer tes propres capacités, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas vraiment souffrir. Alors là, c'est naturel. Personne ne va vous apprendre et c'est à vous de vous débrouiller. Deuxième aspect, c'est quoi C'est de croire vraiment, en tout cas, et à un message euh, venant de quelqu'un des responsables. Bien. Euh, Hussein Issa, euh, vous, comment est-ce que vous avez perçu toutes ces journées d'action citoyenne qui ont été organisées et l'effet escompté, est-ce que éventuellement cela a été atteint Mais ça n'a pas été atteint à partir du moment où il n'y a pas eu de recul. Il n'y a pas eu, par rapport aux mesures, il y a eu des mouvements, il y a eu des actions qui ont été menées pendant un certain temps mais au fur et à mesure qu'on avançait, le constat, c'est que il y a un relâchement, il y a l'essoufflement. Il y a l'essoufflement. Quand je fais un peu le parallèle avec, euh, euh, comment dirais-je, le mouvement des Gilets jaunes en France, en Europe. Il n'y a même pas d'encadrement. Mais, euh, ça, a donné, ça a donné quand même parce que le, le président a reculé par rapport à un certain nombre de mesures. Les gens moi, j'ai toujours dit non. On ne peut pas. On peut pas dire tel jour on va manifester et on va attendre un mois, deux mois, trois mois après pour encore lancer une manifestation. Ça ne peut pas faire reculer. Il faut la pression. Malheureusement, il n'y a pas cette pression. Je ne sais pas au niveau de la société civile, parce que bon, il y a le discours tendant à dire que cette société civile ou ceux qui s'agitent là, c'est des gens qui sont politisés, des choses comme ça. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a eu des manifestations de la société civile par le passé, sous la Ve République notamment. Personne n'a dit que ces gens étaient inféodés à un quelconque euh, machin, euh, une, position politique. Je veux dire, mais quand on engage une lutte, c'est qu'on se donne les moyens. On crée des conditions. <laughs> Mon frère Sidique vient de dire ils ont relâché, ils ont, Alors, Ousseini, est-ce que dit qu'ils ont, vous dites qu'ils ont relâché Est-ce que, <laughs> est-ce que euh, quelque part ce relâchement n'est pas dû aux, aux, aux, interdictions de, ces marches, aux arrestations Vous vous rappelez que les, les, cadres, notamment nous, Arzika, euh, euh nous, Idrissa et Moussa Changari ont été arrêtés à partir du 25 mars. est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que euh, les leaders de ce mouvement ont été départ pris qu'il y a eu ce, relâchement relâchements, si jamais il y a eu. le, combat, le combat citoyen, un combat citoyen, quand on le mène, c'est qu'il y a toujours une relève. Hmm. C'est Ce n'est pas parce qu'on a été les leaders que les autres doivent aussi baisser les bras. Hmm. Normalement, on doit pouvoir créer les conditions pour que les seconds couteaux, comme on dit, <laughs> voilà, ils prennent la relève. Mais malheureusement, on n'est pas. Dès qu'on a été les, la première vague, c'était les Tchangari. Ensuite, les jour Ibrahim, ça s'est estompé. Bien. Et là, Suleiman Mamadou, pour vous aussi, est-ce que vous êtes d'avis qu'il y a eu, euh, après un relâchement, est-ce que ce relâchement, pour vous, ce relâchement est dû à quoi Non, c'était évident. Euh, les leaders, euh, je veux dire, qui mobilisaient, à savoir Noah Arzeka, Moussa Changari, Ali étaient pris, les jurys ont quand même fait un effort, en tout cas, d'assurer euh, ce que ont pu assurer. Mais après eux, c'était le mouvement était plombé, ça ne mobilisait pas. Euh, on a vu également maintenant, quand les autres étaient libérés, ça a un peu, ça un peu repris. Euh, vous savez, dans les mouvements sociaux, il faut faire très attention. Moi, au moment le plus décisif, mon opinion, j'avais dit que la situation était un peu précipitée le jour où Tchangari avait dit ça sa place que au gouvernement, retirez votre loi euh, ou bien euh, foutez les camps. Euh, euh, en, tout cas, le jour-là, vous savez, comme entre nous, ces gens-là, ceux qui sont au pouvoir actuel, ils ont la même tradition, la même vision de, de, de lutte sociale. Mm. Donc, ils ont compris le message et, vous avez vu comment ils ont réagi. Je ne m'intéresse pas de dire que c'était bien ou mauvais. Mais un, un, homme d'État, face à un tel discours, s'il croise les bras, effectivement, il est foutu. Donc, c'est pour dire qu'en fait, dans les luttes sociales, il faut faire attention. Souvent, il y a des actions qui peuvent donner euh, l'occasion à l'autre hmm. de vous fragiliser. Et c'est ça, la, la, vérité. Donc, euh, c'est pour dire que souvent, on rend plus euh, la, sa situation compliquée. on pourrait éviter ce discours je sais, en fait, ils étaient sous, pression. Parce que nous, en tant que journaliste quand on vient euh, sur le terrain de reportage, on entend maintenant au niveau de la base. Il y a des gens qui étaient très pressés. Alors, à la présidence. Mais ils ont résisté en tant que leaders, ils ne l'ont pas fait. Mais à ce moment, ils ont effectivement cédé à ce discours et ils ont tenu ce discours-là. Et euh, le gouvernement qui aussi savent, ils ont une vision, une notion de l'État. Alors, euh, alors, alors, euh, une phrase, juste une phrase, ouais. mieux à je pour renforcer votre, thèse, mm. c'est que quand pour une action ou bien pour un projet d'envergure vraiment en tout cas de, de celle-là, mm. si on compte juste sur un groupuscule d'individus, c'est mm. qu'on est déjà foutu. Parce que moi, personnellement, quand la société civile est mobilisée, j'aurais bien voulu que cette société civile aussi soit directement connectée au peuple, à la population. Par exemple, quand on a arrêté les Nouh les Moussa Tiangari, autres là, normalement, si c'était bien organisé, c'était bien structuré, c'est le peuple qui allait sorti dans la rue. Absolument. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté C'est juste un groupe d'individus qui est venu, qui a affronté le gouvernement, qui a créé vraiment toute une situation, mm. mais eux aussi n'ont pas pris la précaution nécessaire en amont pour être vraiment, en tout cas, en phase avec la population. Alors... Voilà là où le problème se mm. pose. Et de la même manière aussi, le gouvernement aujourd'hui, si le gouvernement avait lâché, face à vraiment cette pression, le gouvernement, est-ce que ce gouvernement, s'il n'est pas soutenu par la population, qu'est-ce qui va se passer Ils allaient être chassés tout simplement. Donc que ce soit le gouvernement, la société civile ou autre, là, quand on s'engage dans ce genre de lutte, il faut toujours avoir le soutien du peuple. Alors, euh, nous passons au second sujet. Euh, sinon, j'allais dire que bientôt, c'est la, nous sommes déjà dans l'ère de la loi des finances 2019. 2018 s'en va. Euh, ces acteurs, en tout cas de la société civile dont nous parlons, n'ont pas, en tout cas, l'intention de, laisser, de lâcher prise. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, en changeant de, cette fois-ci, la lutte non, c'est que ça c'est tout à fait normal. Le combat il est permanent. Euh, c'est que tu as l'habitude de dire que la liberté ne se donne pas. Donc à partir du moment où effectivement il y a ce qu'ils ont contesté, il y a effectivement des mesures antisociales, il me paraît évident qu'ils ne vont pas lâcher. Donc ça c'est tout à fait normal. Euh, maintenant, euh, le plus important, c'est que moi, en tant que citoyen, je pense qu'il va falloir qu'il y ait en tout cas un effort de dialogue entre société civile et gouvernement parce que je pense qu'en démocratie, la différence vraiment avec d'autres régions, c'est qu'en démocratie, l'opinion publique doit être écoutée. Écoutez bien. Donc, il est du rôle, en tout cas, du, gouverneur. Par exemple, lorsque, par exemple, ils ont euh, cédé sur la Tati, donc euh, en, la Ramena, ça, je pense que c'était, et moi, je, je me souviens, c'est que euh, l'effort qui a été fait euh, au niveau de l'Assemblée, par exemple. Et là, Suleiman, nous n'avons pas le temps de pouvoir, euh, désolé, de nous étendre sur ces sujets. Nous passons au code électoral. je le disais, en tout cas, c'est aussi c'est une question, à avis, qui est opposer euh, majorité au pouvoir et opposition, notamment sur certains articles euh, contestés par euh, les, les, partis membres de l'opposition, parmi les articles du Code électoral qui ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique nigérienne, figure l'article 8 relatif à l'éligibilité l'article 12 relatif à la Commission électorale nationale indépendante et l'article 81 relatif à la composition des bureaux de vote. Hussein Issa, euh, euh, dans ce bras de fer entre opposition et majorité, où situez-vous les responsabilités On a vu que le dialogue a été rompu un moment au niveau du Conseil national euh, du dialogue politique, repris en octobre dernier, encore finalement, encore ça a été rompu en réalité, par rapport à cette Comment vous situez les responsabilités J'en arrive. Par rapport à cette situation, je crois qu'il y a quatre articles qui sont des articles controversés. Mmh. Jamais cité que toi. Oui, mm. il y en a quatre. Mais malheureusement, il y a eu des rounds de négociations. Il y a un comité qui avait été mis en place. Le comité n'a pas pu s'entendre. Mais moi, je vais dans le sens où quand on parle de négociation, c'est que chacun doit lâcher du lest. C'est-à-dire, on ne vient pas avec des positions figées. On doit chacun pouvoir dire, je peux concéder ça. C'est ça le consensus. On ne va pas sous le principe que on est majoritaire ou opposition. J'étais heureux d'entendre le président de l'Assemblée la dernière fois quand il clôturait le discours dire que bon, le peuple du consensus le fait germain qui, a toujours prenait le consensus, le consensus suppose qu'on s'entende sur un minimum. Mais vous étiez à, quel niveau vous, la, responsabilité, la, responsabilité, quand on cherche un consensus, c'est que chacun doit faire des concessions. Des deux côtés. Des deux côtés. Tant qu'il n'y a pas un minimum de consensus des deux côtés, il n'y a pas d'entente. Ce n'est même pas la peine d'appeler les gens pour qu'ils viennent s'asseoir. Ça va servir à quoi Ils vont passer des journées, on va donner des pecdièmes à des gens selon vous, quels sont les articles qui, en tout cas, doivent être nécessairement modifiés en bon, Je n'ai pas vraiment les articles en tête. Je n'ai que l'article 8 là qui semble faire débat, mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a également, il y a également, y a également eh, comme avait dit, la composition, les articles concernant la composition de la CENI des bureaux de vote, mm. tout ça. Parce qu'il y a même des partis de la majorité qui, ont dû quitter parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord. Notamment avec la... Kishinkasa. Voilà, ils, doivent décider ont décidé de quitter. Il y en a qui murmurent, ils ne parlent pas, mais qui sont aussi concernés. Parce que quand on va à des élections, moi je dis, il faut se mettre toujours en tête. Même l'indépendant, le candidat indépendant, il faut qu'il puisse avoir la garantie que les militants qu'il va mobiliser là, mm. les voix de ces militants là, qu'on puisse comptabiliser ça dans, son score. Alors, Sidi Ali, euh, dans, cette, qui est, dans ce bras de fer entre opposition, majorité euh, concernant cette question du code électoral, euh, comment vous, vous avez aperçu cette situation Et Hussein disait que, en tout cas, dans une négociation, chacun doit être là, chacun doit lâcher du lest, chacun doit faire un compromis. Mm-hmm. Pour vous, où est-ce que la balance a moi, je pense que en toute chose, il faut euh, éviter euh, l'extrémisme. Hmm. Ce n'est jamais bon. Euh, pour ne pas dire jusqu'au boutisme. Hmm. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans un jeu dans lequel vraiment, en tout cas, la, la classe politique nigérienne, dans son ensemble, est condamnée à s'entendre. Si la classe politique ne s'entend pas, c'est qu'on va déboucher sur une crise. Et si la crise-là n'est pas vraiment, en tout cas, résolue, c'est que ça va mettre en péril tout ce qu'on a comme acquis, stabilité, paix et tout ça. C'est pourquoi j'ai dit toujours, il faut toujours éviter vraiment, en tout cas, l'extrémisme et aller toujours vers un compromis. Et surtout que euh, ce jeu, euh, vraiment, en tout cas, dans lequel c'est-à-dire, cette boule avec euh, laquelle vraiment la classe politique est en train de jouer, euh, ça s'appelle vraiment le destin du peuple nigérien. Mm. Nous, c'est notre destin d'abord. C'est en cela qu'aujourd'hui, ça nous concerne. Et c'est pourquoi nous appelons vraiment, en tout cas, à tous ces acteurs, vraiment à faire très attention. Parce qu'on euh, on ne peut pas remettre notre destin dans les mains d'une vraiment poignée d'individus et que cette poignée d'individus ne prennent pas conscience de l'importance vraiment, en tout cas, de ce qu'on a confié. Et d'ailleurs, c'est pourquoi même justement, j'ai toujours dénoncé une chose. Mm. Et vous savez, nous, Nigériens, on a vraiment quelque chose de terrible. Voyez-vous Quand on est dans nos salons, quand on est dans nos maisons, dans nos bureaux, on parle toujours, on dit non, cette classe politique nigérienne, il faut la pallier parce que c'est une classe inapte, c'est une, mm. Et c'est vrai, c'est une classe politique qui nous cause trop de mal aujourd'hui dans ce pays. Mais... Que ça... Non, il faut le dire très clairement. Mm. Mais le problème, c'est que quel remède on a vraiment pour régler définitivement Malheureusement, on n'a pas un autre remède que d'évoluer de, de, dans le sens, vraiment en tout cas, de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe politique. C'est-à-dire il faut une transition vers vraiment une nouvelle classe politique, vers vraiment des gens qui sont beaucoup plus... Et cela passera par quoi Non, mais les réformes, des textes. Aujourd'hui, mais vous là, vous allez quitter ce studio là. Vous avez le souci, vous ne voulez pas devenir président de la République. Vous n'avez pas besoin d'être député chez vous, mais il y a des choses qui vont vous empêcher. Pour être président au Niger aujourd'hui, vous allez payer combien de millions Est-ce que c'est normal ça Dans un pays voisin, ici, on a même dit 250 millions pour être président, de trucs comme ça. Ça, c'est toujours un complot d'une classe politique qui empêche au peuple d'émerger vers le haut. C'est pourquoi vraiment il faut combattre ce genre de choses. Pour être député, j'arrive, petit vrai. C'est fini, nous n'avons pas assez de temps, les autres n'auront pas le même temps. combattre ce genre de choses. Suleiman Mamadou. L'accès à votre fonction soit facile pour nous. Bien, ça veut dire que euh, vous avez des intentions de devenir président. Je veux devenir président, moi. Bien. Euh, euh El Suleiman Mamadou. Très rapidement, ce que je me rends compte que dans le débat qui a eu au niveau du CNDP, euh, nous, en tant qu'observateurs, euh, il y a une chose, je pense, qui, peut, euh, qui permet d'espérer, mhm. c'est que même au niveau du comité paritaire, ils ont travaillé sur 47 articles. articles mhm. mm articles qui constituent la pomme de discorde. Mhm. Donc, c'est dire que présentement, c'est ça l'intérêt, je pense, du débat. On sait très bien que le code électoral que nous avons, il est à presque 95% consensuel. cest dire quoi les articles, euh, notamment l'article 8, ça mm. c'est une question entre politiciens. Moi je rappelle tout simplement, euh, pour vraiment comme dans le sens de l'autre, pour la paix. Mm. Récemment j'étais à l'extérieur avec euh, un, leader, en tout cas il dirige ici une, un succès international. Mm-hmm. Il me dit, son fils qui a je crois 7 ou 8 ans, il demande de lui acheter une maison ici au Niger. Il dit pourquoi Parce qu'ici on ne se bat pas. Là-bas, chez eux, on se bat. Il dit, parce qu'on se bat. C'est pour dire qu'en tout cas, hmm. faisons attention, la paix, c'est ça l'essentiel. Il hmm. Ils dit, toujours, les politiciens, pas de pays par développement. Donc vraiment, il faudrait qu'ils puissent s'entendre sur l'essentiel et ça le plus important, euh, en tout cas pour, pour le pays. il, faut, il faut éviter de euh, personnifier le débat politique parce que maintenant, l'article 8 dont vous parlez aujourd'hui, derrière l'article 8, il y a une image de quelqu'un. C'est pourquoi vraiment tout le monde est fixé là-dessus. Donc il faut éviter de prendre en otage la vie d'un pays à travers mm. vraiment des, des, approches trop personnifiées. Ici s'achève le forum de la presse d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Nous étions avec Alain Suleiman Mamadou du journal en ligne, Niger Inter, Hussein Issa, Sidik Ali, Rufai qui était en ligne avec nous. Présentation à la Sainte-Cousine Mamadou. Bonsoir. Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma, respectivement avec Mamanada et Balkis Hamidou.